À travers cette action de prévention efficace contre ce fléau, le cancer, devenu très criard au regard des statistiques et qui demande une prise en charge financière très élevée pour les familles, nous avions voulu contribuer efficacement aux efforts déployés par les pouvoirs publics afin de réduire sa propagation, mais aussi et surtout nous inscrire dans le sillage de la politique déclinée par le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, à travers la couverture maladie universelle. Vous conviendrez avec moi que cette politique qu'est la couverture maladie universelle doit être menée sur deux piliers essentiels, c'est-à-dire agir sur l'offre des soins, mais aussi sur la demande. Dès lors, nous avons estimé qu'après avoir contribué modestement au relèvement du plateau technique du centre de santé de Nabichouké, il convenait en deuxième lieu de susciter l'adhésion massive des populations cibles auprès des mutuelles de santé. C'est cette démarche qui nous a conduit à sceller un partenariat qu'on veut durable avec la MUSCAPO maître d'œuvre de l'organisation de cette grande cérémonie de remise de 400 cartes d'adhésion avec une cotisation annuelle de 3500 francs CFA par personne, en complément de l'inscription initiale de 100 adhérents il y a plus d'un an déjà. yéenay yóbbu hôpital bu jigéen feebaree yéenay yóbbu hôpital bu góor feebaree di ngeen jaay takkaay yi di ngeen tayle takkaay yi di ngeen euh, sax jaay xar bi nekk ci kër gi pour jël en charge ki nga xam ni moo feebar ci kër gi donc mu nekk loo xam ni lu am solo la ami Aminata ñëw di ci def ay jéego yu am solo donc ñu koy gërëm di ko sant bu baax a baax di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla yeggalee

programme bu mag bi tuddé ko couverture maladie universelle def ko nak ci patch yu bari mu am d'abord les gratuités daaf wax nako 0,5 ans yi ñi nga xamni dañu judd bu am juróomi at bu ñu ci poste de santé centre de santé dañuy faju té duñu fay dara suñu len référé nak hôpital cas d'urgence ticket bi ak cas référé yi lañuy jël en charge pour le moment ñi ngi xol nak naka lañ koy gëna améliorer bu ñu hôpital sama mbokk jigéen yi aussi nga xamni ni dañuy wara mucc te wara a loru nous aussi dañ leen di jël en charge césarienne yi duñu fay dara ñu paquet bi tollu ci 85000 de 85 donc képp ku ci dem ci fo xamni dañ la wara opérer rek waroo fay donc relais il faut ngeen def ko di ñu parce que nous, chef man euh, le chef de service régional de la CMI bo gisee ñu tek euh, région bu nek un service régional couverture maladie universelle pour ñi gérer couverture maladie universelle gestion de proximité mu comme ça bu amé ay tolof-tolof ngeen woté fofu ñun ñu ñew techniquement war ko régler donc képp ku ñu fayloo rek ci structure sanitaire ci lu jëm ci césarienne na ngeen ñu wo dinañ fi bayyi suñu coordonnées ngeen woo ñu ñu ñëw lijjanti loolu. 05 ans aussi même chose waru ñu fay poste de santé centre de santé parce que ñu ngi koy fay hôpital nak ticket cas référé ak cas d'urgence lañu jël gum en charge pour le moment il faut loolu mu lèr ngeen respecté la pyramide sanitaire bu leen jóg rek dem hôpital dem leen ci poste de santé bi faj ya fa am ñi jox leen ko dem leen centre de santé faj ya fa am ñi jox leen ko bu jaree yóbbu hôpital ñu yóbbu leen hôpital noonu la euh, euh, système de santé bi di doxee. bu ñu ñëwee ci dialyse bi aussi am na jéego yu am solo yuñ ci commencé def ñu ngi commencé di ko subventionné ci structure publique yi structure privée yi tamit am na ñaar yuñ ci commencé ñu ngi ciy def ay jéego donc bu ma bu ma bu ma jëlee aussi plan Sésame. Euh, ni ko daaf waxee existé woon na waaye dafa amone ay tolof-tolof tolof-tolof yoy lañu ñu safara ñu def luñuy tuddé plan de relance fexé ba nga xamni Euh, suñu mbokk yo suñu nijaay suñu yaay yi nga xam ni dañu am juróom benn fukki at ak lu ko ëpp bu ñu feebaree ñu mën leen a jël en charge ñu bañ a demati rek au niveau hôpital donc ñu am paquet de base boo xam ni poste de santé ak centre de santé lañ leen di koy fajee ñooñu ñi ciy bénéficier wu mooy ñi nekk ci njënd mi ñi nekk ci njaay mi ñi nekk ci sàmm gi ak ci nekk ci ci napp bi ci cadre couverture maladie universelle ñi nga xam ni nag IP IPRES ak e FNR war nañ leen a jël ñooñu aussi buñu démé en charge donc dañu bëgg képp ko sénégalais nga nga bénéficier wu plan Sésame mu ah, certes euh, je suis le médecin chef de district mais dans ma formation je suis aussi gynécologue obstétricien et surtout j'ai fait de la chirurgie vaginale et périténale donc euh, je sais ce que c'est que euh, les lésions précancéreuses du col de l'utérus.

je pense que salle bi aussi da nga xamné bi fa le matériel bobu né mom moko ko équipé ça aussi on doit le on doit la remercier pour ça ndax euh, ku la defal euh, teraanga vraiment nga wax ko waaw wax ko ci mboro wax ko ñëpp xamné ki amna lo xamné li def nako ko fi peut-être que c'est une opportunité bo xamné bi dañ ko wara saisir pour siiwal ko ndax ku def lu baax dañ koy siiwal du nak walu politique la du walu ngistal la wala dama koy jappalé ci li wala ci lële mais kuy def lu bax dañ la ci gëreum dila ci gëna ñaax enrôler une un certain nombre de personnes je pense que ñu ngi wax 400 mais boko xayma ëpp na téeméer ëpp na juroomi téeméer manam 500 ëpp na ko ndax euh, bu mu njëkkee mu tambalé

ñu xëy pendant juróom juróom xaw ma juróom benn fan ñuy dem di jaabante vraiment mu yombalal ñu yëpp man sama bopp ma ñàkkoon connaissance ci affaire gestion nit ressources humaines vraiment ma profité ci bu baax li ma ci mën a profité profité naa ko ci management ak yëpp loolu it ma ko ciy sant di ko ci gërëm lii nag du ma ne guléet du ma ne yéex na ko def parce que njëkkoon da ko def jëndoon na 100 Il me revient l'agréable devoir de présider au nom du professeur Madame Awa Marie cette euh, importante manifestation de citoyenneté, de générosité et surtout de complément, si je puis dire, complément d'un geste que vous avez commencé depuis quelques années de renforcer le plateau technique du centre de santé Nabil Choukher. Je voulais le dire à haute voix, parce que vous l'avez dit tout de suite au médecin-chef du district, que le geste de Mme Sow est un geste qui donne du sens à ce que le ministère de la Santé ne cesse de répéter. La couverture universelle, c'est l'offre, c'est la demande, et je crois qu'elle l'a bien compris en euh, travaillant à relever le plateau technique, en amenant des équipements, en amenant aussi du consommable. Aujourd'hui, elle a placé son action sous le signe justement de l'adhésion à, la mutuelle de santé de la Padois. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer, qu'il faut relever comme étant important. Un point aussi qui nous a paru très important, c'est euh, la jonction que l'on peut faire entre son travail de directrice euh, du Fonds de financement féminin et la mutuelle de santé. Nous savons tous que la maladie, constitue une entrave à l'activité économique. Celles qui bénéficient d'un crédit ont naturellement besoin d'avoir toutes leurs forces pour mener les activités qui leur permettent d'engager des ressources et de rembourser le prêt qui leur a été consenti. Et pour cela, il faudrait que des facilités leur soient accordées pour l'accès aux soins. L'adhésion à une mutuelle de santé, peut justement faciliter cet accès aux soins. Et nous étions en train de dire avec Mme Sow que ce serait tout à fait sensé que pour protéger les femmes, pour protéger le crédit, que l'adhésion à un dispositif de couverture du risque maladie soit un préalable au bénéfice du crédit. Euh, non pas pour compliquer la vie aux femmes, mais pour faire en sorte que la femme malade puisse se soigner rapidement et retrouver son activité qui lui permette de rembourser dans la dignité. Voilà ce que nous pensons être une contribution essentielle que ce fonds peut apporter. Je voudrais, en ma qualité de directrice du Fonds national de crédit pour les femmes, qui a pour mission principale de lutter contre la féminisation de la pauvreté, insister sur le fait que la promotion de l'entrepreneuriat féminin ne peut se faire sans une prise en compte concrète du volet santé des femmes. C'est dans ce sens qu'il faut, à notre humble avis, étudier les voies et moyens d'une articulation, c'est-à-dire d'un mécanisme de couplage entre les activités des mutuelles de crédit et celles intervenant dans la CNU. Pour notre part, nous considérons que cette manifestation constituera un déclic et nous comptons la démultiplier autant de fois que cela sera possible pour permettre à toutes les populations, notamment les femmes, d'avoir l'opportunité de se faire prendre en charge par les structures sanitaires. C'est donc le lieu pour moi de remercier tous les partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite totale de cette cérémonie. Je veux nommer en particulier le corps médical du centre de santé de Nabi Chouker à travers le médecin-chef ici présent. Donc nous, voulions voudrions féliciter Madame Sow pour son engagement citoyen, féliciter Madame Sow pour sa façon particulière de faire la politique qui est qui peut être résumée en une phrase simple. Comment euh, puis-je mieux servir ma collectivité, ma communauté Je pense que si tout le monde agit de la sorte, notre pays va aller de l'avant. En tout cas, Madame Sec, euh, Madame le ministre sera bien informée de ce que vous faites ici. Nous y rendrons compte. Nous lui parlerons également de l'engagement du médecin-chef engagement pour relever le plateau technique, engagement pour mieux servir les populations. C'est à cela qu'appelle le ministre et nous sommes très fiers d'avoir entendu le docteur Meng qui faisait sa première sortie prendre cet engagement.